Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Senia Yubakaka. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz et Kwarategi 90.9 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des 31 radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum de ce soir porte sur l'exploitation économique des enfants à travers la mobilité des enfants talibés au Niger causes, conséquences et solutions. Ce forum doit permettre de faire ressortir les aspects positifs de l'exploitation économique des enfants talibés à travers leur mobilité et les aspects préjudiciables de la mobilité pour les enfants talibés, les risques et les opportunités qu'elle représente selon les caractéristiques personnelles de l'enfant, âge, sexe, situation sociale et familiale, et les conditions dans lesquelles cette mobilité, cette mobilité se prépare, se décide et se réalise. Il s'agit de lutter pour limiter les conséquences négatives et les risques engendrés par cette mobilité en raison de la vulnérabilité accrue des enfants talibés les connaissances limitées des droits, des devoirs et des responsabilités de chacun dans la protection de l'enfance et certaines pratiques sociales, culturelles et religieuses contribuent à entraver la protection de l'enfance. Et ce d'autant plus que la plupart de ces pratiques jugées néfastes ne sont, ne sont souvent pas perçus par la communauté comme des violations des droits de l'enfant, mais plutôt comme un moyen d'assurer leur protection. Le nombre d'enfants originaires d'Afrique de l'Ouest et actuellement en mobilité n'est connu d'aucun service ou organisation. Les États et les agences éprouvent de réelles difficultés à fournir des chiffres fiables et actualisés. Le phénomène est néanmoins reconnu dans son ampleur. Plusieurs milliers d'enfants étant concernés. Les mouvements sont largement internes aux pays de la région, mais aussi externes. La plupart des enfants se déplaçant vers le Maghreb et l'Europe est estimée à moins de 10% du total des enfants mobiles originaire d'Afrique de l'Ouest. Au Niger, c'est durant la période d'après les récoltes qu'il est observé une forte mobilité des enfants talibés des zones rurales vers les centres urbains du pays, pour certains et pour d'autres vers les pays voisins. Il n'existe pas de chiffre officiel sur le nombre d'enfants talibés à mobilité chaque année, mais ils sont nombreux à quitter leur domicile sous prétexte d'études coraniques pour cette aventure souvent périlleuse pour eux. Pour en parler nous avons dans ce studio M. Mamassani Janjouna, sociologue. Mamassani, bonsoir. Oui, bonsoir. M. Moussa Mamadou de l'association, coordinateur donc de l'association de lutte contre le travail des enfants au Niger Alten. M. Moussa Mahamadou, bonsoir. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue à ce forum du studio Kalangou. Moussa Mahamadou, euh, coordinateur de l'association de lutte contre le travail des enfants au Niger, qui est enfant selon les textes de la République du Niger Bon, ce que nous avons toujours euh, lu dans la documentation de l'État, l'enfant c'est toute personne âgée de moins de, 18 ans. Mais la législation, euh, selon qu'il s'agit euh, des droits de l'enfant, c'est qu'il s'agit des droits sur l'enfant. Vous avez une légère nuance qui s'applique euh, que l'enfant, au niveau du civil, peut être considéré à partir de 21 ans. Mais l'enfant, de manière globale, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans. Bien entendu, au Niger, euh, je sais qu'on va parler du travail des enfants, puisqu'on parle de la mobilité des enfants, un âge encore plus bas a été retenu par l'État du Niger pour, euh, dans sa législation par rapport au droit à l'enfant à l'accès au travail. D'accord. Jean L'enfant, d'abord, c'est une segmentation d'un point de vue biologique. L'enfant doit aussi être perçu d'un point de vue civil. Et c'est dans ce sens que, effectivement, euh, la question de l'âge est à considérer. Donc, euh, au Niger, comme euh, l'a si bien notifié Moussa, la législation a considéré que, est considéré comme enfant tout jeune dont l'âge est compris entre, euh, si vous voulez, 5 euh, et puis moins de 18 ans. Donc, moins de 18 ans, on est considéré comme enfant. Parce que la majorité commence à partir de 18 ans, même si par ailleurs, il y a une autre forme encore de majorité qui commence à partir de 21 ans. Mais toujours est-il au regard d'un certain nombre de textes nationaux, euh, internationaux, régionaux que le Niger a dû ratifier, euh, cette définition s'avère euh, pertinente. Alors de l'autre côté, il y a cette segmentation sociologique qui est faite. L'enfant, c'est quelqu'un qui n'est pas mûr, qui est en fait sous la responsabilité de certaines personnes, notamment ses parents ou des gens qui, d'une manière ou d'une autre, l'ont adopté. Donc cette question de responsabilité qui fait en sorte que d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue euh, euh, de façon même civile, euh, il n'a pas une grande responsabilité comme un adulte. Ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui est toujours là et qui lui sert de référence en termes de responsable par rapport à lui. Il exerce une certaine forme de devoir. D'accord. Moussa Mamadou, est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que les maîtres, euh, spirituels organisent-ils la mobilité de ces enfants On a eu par plusieurs occasions, à l'occasion de plusieurs petits projets que nous avons mis en place, essayer de savoir comment ça se passe. Je crois que euh, c'est beaucoup une réponse ou une analyse sociologique qui pourrait être faite euh, de cette situation. Mais du point de vue de nos constats, c'est que nous avons plusieurs éléments qui se posent. Premier élément, c'est que l'enfant euh, est considéré comme un contributeur dans la production rurale, dans la production du cultivateur à la maison. une fois cette contribution faite, eh bien, tout le souci de la famille, au regard de tout ce qu'on a observé pendant plusieurs années, euh, le réflexe, c'est de soustraire l'enfant à la consommation du peu qui a été fait. Et ce peu-là, en général, il est laissé aux femmes et aux plus jeunes que lui. laquelle alternative il y a euh, Un deuxième aspect, c'est qu'on a besoin aussi de lui forger une culture religieuse. Donc c'est deux facteurs combinés. Et puis aussi, on a besoin que l'enfant soit occupé à faire quelque chose, puisque s'il ne fait rien, il est assis à la maison, il va non seulement consommer, euh, ne pas apprendre la région, et puis faire peut-être autre chose qui, serait mauvais. Donc tous ces éléments combinés ont fait que euh, la culture s'est installée. Une fois que les récoltes sont finies, on n'a plus besoin du travail de l'enfant. et eh bien, un marabout s'organise pour prendre tous les enfants à peu près de l'âge de ceux qui peuvent se déplacer, euh, se, se nourrir ou aller mendier et il les utilise pour être un peu son, patrimoine de ceux qui vont rester avec lui, étudier le Coran, se déplacer de village en village. Et euh, bon, on peut faire beaucoup d'analyses par rapport à ça. C'est bien, c'est pas bien, peut-être qu'on en viendra. Euh, voilà un peu comment ça se structure à la base. Et c'est à partir de là que nous avons des enfants talibés. C'est valable pour le Niger, c'est valable pour euh, le Burkina, c'est valable pour les autres pays, partout où en tout cas, il y a une culture islamique qui est là. Euh, au Sénégal aussi, on en a plusieurs fois discuté avec nos collègues qui s'occupent de la question. D'accord. Euh, Sani Genjouna, tout à l'heure, Mamadou disait qu'on devait faire une analyse sociologique justement du, point de, de, départ euh, de, cette pratique. comment La perception qu'on doit avoir lorsqu'on essaye d'analyser ce phénomène d'un point de vue socio-anthropologique va être combiné dans le sens où nous sommes dans une société qui perçoit les choses en termes du bien et du mal, en termes de ce monde d'ici bas, mais en même temps de l'au-delà. La culture islamique fait en sorte que tout musulman a cette double vision dans tout acte qu'il pose. Il y a des actes que nous posons qui renvoie à un certain nombre de choses que nous sommes appelés à posséder dans ce monde d'ici-bas, mais en même temps, il y a cette dimension liée aux dividendes que nous devrions avoir, notamment en posant certains actes qui sont considérés dans le registre religieux comme du bien, qui vont nous être, nous être comptabilisés à l'au-delà. Toute famille nigérienne musulmane agit dans ce sens et tout musulman nigérien agit dans ce sens. C'est ce qui fait que l'islam constitue notre référence, notre base. Et parce qu'il constitue notre base, nous savons pertinemment les recommandations qui sont faites dans ce sens en termes de responsabilité. De la même manière que nos parents nous ont édifiés dans ce cas de figure, nous cherchons ce monde d'ici-bas, mais cherchons encore le bien par rapport à l'au-delà. Nous sommes tenus de préparer nos enfants encore dans la même logique, ce qui contraint les parents en termes de responsabilité, de devoir religieux, mais en même temps, d'un point de vue conjugal, à assurer cette, et assumer cette responsabilité. C'est pourquoi le fait d'avoir des enfants est déjà conçu et perçu comme une recommandation de Dieu, A telle enseigne que le prophète, paix et salut sur lui, a dit faites en sorte que ma communauté soit la plus nombreuse le jour du jugement dernier. De là, on a légitimé en fait le nombre d'enfants à avoir de termes un de croissance. Deuxième chose, il y a cette idée du le fait que tu aies un enfant, on te l'a donné en tant que berger, qui est à toi d'un point de vue religieux de lui assurer cette responsabilité pour qu'il accède au paradis au même titre que toi tu le cherches. Donc, c'est ce devoir qui pousse les gens, non seulement ils veulent en même temps gagner ce monde d'ici bas, mais ils veulent aussi gagner à l'au-delà. C'est la raison pour laquelle, en termes de responsabilité, et certains renoncent plus, ils privilégient, j'allais dire, le dividende qui va être conféré à l'au-delà plutôt que celui qui va être gagné dans ce monde d'ici-bas. Ce qui les amène à faire un choix. Soit ils orientent leurs enfants à l'école moderne. Dans ce cas de figure, ils estiment que l'école moderne est censée donner, attribuer à l'enfant un bien qui le satisfasse dans ce monde d'aujourd'hui, tandis que de l'autre côté, d'un point de vue religieux, certaines personnes vont vouloir envoyer leurs enfants à l'école coranique, étant entendu que c'est là-bas qu'il va préparer l'au-delà. Donc, c'est un choix. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les deux, on peut les combiner, on peut effectivement réussir dans ce monde d'ici-bas, tout comme on peut réussir effectivement à l'au-delà. Voilà la raison primordiale, fondamentale, d'un point de vue sociétal qui pousse justement les gens à vouloir, vaille que vaille, vraiment envoyer leurs enfants à l'école coranique. Maintenant, le renoncement, le renoncement aux biens matériel de ce monde d'ici-bas, est inscrit dans une logique pédagogique attribuée au marabout. Le marabout fait en sorte que l'enfant qui arrive chez lui, lui, il est censé le protéger, mais en même temps le préparer à sa vie, à l'au-delà plutôt qu'à sa vie de ce monde, étant entendu qu'au préalable, ses parents ont fait déjà ce choix. Ce choix qui a été fait est un choix qui va l'amener à renoncer à cette vie ou à, aux richesses de ce monde d'ici-bas. Ce qui va amener lui, le marabout, à vouloir instituer à ses enfants une certaine forme de modestie, une certaine forme de renonciation et de la, cette modestie va les amener à vouloir pratiquer tout acte, tout travail, ce qui va les confiner dans cette logique de ils ne vont pas vouloir travailler, mais plutôt que mendier simplement. Et certains marabouts de mauvaise foi, certains, justement, utilisent cette situation pour s'enrichir en demandant à ses enfants, parce que tout le monde a pitié d'un enfant. Et lorsqu'on a pitié de l'enfant, d'un enfant, on a tendance effectivement à vouloir l'aider, soit à lui donner de l'argent, soit à partager son plat avec lui, soit en tout cas d'une manière ou d'une autre à apporter sa contribution pour qu'il soit heureux. Ce qui fait que les marabouts, certains qui sont doués de mauvaises euh, fois sont tentés à exploiter cette situation dans laquelle effectivement ces enfants se trouvent. voilà qui mécaniquement, a priori les, enfants, les parents, les raisons qui les poussent justement à amener leurs enfants, en résumé pour dire que c'est dans la quête de l'au-delà et le fait de se décharger de ce fardeau divin qu'ils estiment avoir obtenu de Dieu en termes d'éducation de l'enfant pour qu'il accède lui aussi au paradis, étant entendu que nous faisons les deux en même temps, chercher ce monde d'ici-bas et chercher aussi les bienfaits de l'au-delà. D'accord. Et justement, nous allons écouter euh, le secrétaire général de l'Association islamique du Niger que nous avons interrogé sur cette question, docteur Touré Boubacar, qui donne justement la vision de l'islam sur, cette pratique. On l'écoute. Les enfants talibés, c'est comme euh, tout, tout élève euh, qui va à la recherche du savoir. Comme l'islam a prescrit que la recherche de savoir est une obligation sur chaque musulman et musulmane. Mais compte tenu du contexte de nos pays, eh, l'enfant qui apprend eh, le Coran est considéré comme, euh, je sais pas, euh, une tierce personne euh, qui n'a aucune importance. La ah raison pour laquelle on voit vraiment les enfants talibés, on les considère autrement. Ailleurs, ils sont bien traités parce que vraiment, ils ont au moins ce chose dans la tête qui est vraiment, ils sont instruits. Et pourtant, on le considère comme des illettrés. Donc voilà, et sinon, euh, les enfants terminés doivent, doivent être bien considérés et comme bien des élèves. Oui. D'accord. Quelles sont les causes de la mobilité des enfants talibés La cause, euh, vous savez, euh, l'enseignement coranique n'a pas commencé aujourd'hui. C'était un enseignement autour du feu qu'on appelle les doudal. Donc, euh, de nos jours, les doodles ont, cessé. avant euh, la richesse du savoir, avant la pénétration coloniale, c'était l'enseignement coranique. Et l'enseignement coranique, avant, c'était qui C'était les enfants du roi, les enfants vraiment, euh, je sais pas, de, de, de, de, nobles qui vraiment qui fréquentaient ces écoles. On les envoyait très loin pour apprendre le Coran. Et à travers ça, ça s'est vulgarisé. Alors, les enfants se déplacent parce que avant c'était très très rare, comme vous le savez, même l'enseignement classique. Pour apprendre, il faut aller se rendre à William Ponty, euh, au Sénégal. Donc c'était comme ça. Donc les, marabouts étaient rares, ce que le érudits était rare. Il faudra se placer d'un pays à un pays ou d'une localité à une localité. Donc les parents envoient leurs enfants pour apprendre euh, l'école dans une autre localité qui n'est pas la leur. D'accord. Docteur Touré, pour certains, les marabouts exploitent ces enfants pour leur propre survie. Comment doit être la relation entre le talibé et son maître euh, C'est-à-dire, euh, c'était comme vous, vous appelez, je ne sais pas si vous avez vécu ce temps, il y avait l'APP, l'activité productive pratique et productive. Donc maintenant, ce n'est pas que les marabouts euh, exploitent les enfants. Avant, c'était la formation pratique de l'élève, de l'ancien, de talibé. Donc les talibés étaient vraiment formés sur le plan spirituel et sur le plan vraiment social, agricole. Donc on, les enfants partaient pour travailler. Mais maintenant, de nos jours, les gens disent que vraiment, les marabouts envoient les enfants. Et parce que maintenant, le marabout lui-même ne, peut pas se nourrir. Et les enfants, il a combien d'enfants sur le dos Donc, ils envoient les enfants aller, aller quémander. Et de nos jours, comme vous le savez, ce n'est pas n'importe qui qui arrive vraiment à se nourrir. Et donc, les enfants, parfois, au lieu de chercher euh, vraiment de la nourriture comme il n'y en a pas, on les donne en étant les, 5 francs, les 10 francs qui doivent être réservés. Parce que avant, les enfants amenaient de manger au marabout. Voilà, chers invités, vous avez écouté donc la réaction du secrétaire général de l'Association islamique du, Niger. On, continue ce, ce, forum euh, sur la question de, l'exploitation. Est-ce que dans cette, euh, pratique, on peut y voir des formes d'exploitation des enfants Bon, on ne peut pas ne pas s'empêcher de parler d'exploitation à partir du moment où euh, aujourd'hui nous sommes dans un paradigme où il s'agit d'emmener les enfants à l'école, il s'agit de prendre soin d'eux, il s'agit euh, de faire en sorte qu'ils réussissent dans l'école moderne, tout en, euh, s'il est possible, en étudiant le Coran. Et d'ailleurs, même s'ils ne le font pas quand ils sont jeunes, après quand ils seront grands, ils seront forcés de le faire, parce que c'est un besoin tout à fait euh, spirituel ah qui va un jour ou un autre se manifester. c'est une exploitation dans la mesure où, pendant qu'on envoie ses enfants dans ce créneau-là, l'autre créneau est là présent. Et on trouve que euh, l'envoûtement populaire, une sorte d'envoûtement populaire qui existe vis-à-vis de la pratique, euh, de la noblesse de la pratique religieuse, fait que les parents, même si l'école est là, pensent que là-bas c'est meilleur. Il y en a qui continuent à faire le culte que euh, l'école moderne peut avoir. Il est possible que... Bon, je crois que euh, la meilleure façon que nous puissions faire aujourd'hui, c'est de faire tout pour qu'on y mette fin pas en, mettant de la police devant, peut-être en agissant, en transformant la chose, puisque le souci est là. Quoi qu'on fasse, aujourd'hui, euh, toutes les familles nigériennes, en tout cas dans la majorité telle que euh, l'islam est réparti, ont le besoin de savoir que leurs enfants euh, ont appris le Coran. Ceux qui ont commencé à, ceux qui connaissent un peu la modernité savent que il est nécessaire de savoir lire et écrire dans l'école moderne, et même de faire des études dans l'école moderne. Donc, l'incompatibilité va forcément se poser. Et ça se pose d'autant plus que c'est à partir d'un certain âge qu'il faut récupérer rapidement l'enfant pour qu'il l'amène à l'école. À défaut, euh, ça risque d'être difficile. Dans tous les programmes que nous avons faits, nous avons retrouvé des enfants qui ont commencé à talibé vers 7 ans, 8 ans, et ils se retrouvent vers 12 ans. Ils n'ont aucun marabout à côté, les parents sont là défaillants, et ils n'ont pas été à l'école euh, l'école réglementaire. Il plus de suite. Nous avons commencé à l'époque déjà en 2001 à faire ces genres d'école de, parcelles, des enfants de 11 ans, 12 ans. On les met dans une classe, on amène des enseignants pour faire euh, une sorte de, permettez-moi le terme, de gavage euh, d'instruction pour qu'ils puissent, à court terme, dans les 2-3 ans, aller affronter le CPE. Donc c'est dire que on ne peut pas donner d'autre appréciation de cette forme de, de talibé que euh, que la condamnation. Il faut tout faire pour modifier ce paradigme. Il faut faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école et créer les conditions de la satisfaction morale des parents de, euh, du point de vue de la religion. Que ce soit en organisant l'école moderne, en lui ajoutant peut-être euh, quelques éléments, ou alors en créant des conditions pour que les vacances ou d'autres créneaux euh, temporels qui sont disponibles puissent être utilisés à enseigner la religion aux enfants. D'accord. Le sociologue y voit, lui, une forme d'exploitation dans cette pratique euh, Bien entendu. Mais avant que je ne me prononce concrètement avec euh, tous les détails nécessaires, ah j'aimerais revenir pour apprécier encore la situation. Alors, il y a un petit détail qui se pose en termes même de dilemme. Ah vous savez, il y a la société traditionnelle qui, qui existait hein. jusqu'à présent, on sent ça, mais qui est en profonde, en profonde, qui subit une profonde transformation. Cette transformation euh, s'observe dans le fait que avant, vous savez, parce qu'il y a un principe qu'il ne faille pas perdre de vue, qu'il ne faut pas plutôt perdre de vue. Le premier, c'est le fait que l'islam interdit tout commerce de ses versets on ne doit pas vendre le savoir coranique pour fonder sa vie. Donc, du moment où on ne doit pas le vendre, déjà cela amène les marabouts à rester dans une position qui les met dans une situation où ils ne peuvent pas prendre de l'argent d'office. Mais si on leur donne, ils prennent. Mais ils ne vendent pas ce savoir comme on le vend, par exemple, un savoir tout à fait moderne. Ce qui fait que les gens veulent amener leurs enfants pour apprendre le Coran. Ils vont vouloir amener tout chez un marabout parce qu'il est érudit. Tout le monde voudra que ce soit tel marabout qui enseigne son enfant. Le marabout ne peut pas dire non parce que sur chaque enfant, il gagne des dividendes pour lesquels lui-même il a appris le Coran, étant entendu qu'il cherche lui aussi euh, de bonnes œuvres, à accumuler de bonnes œuvres pour l'au-delà. Ce qui fait qu'il va accepter beaucoup d'enfants, alors que avant dans l'Afrique traditionnelle, dans le Niger traditionnel, les parents qui amènent leurs enfants, ils apportent des, euh, des bottes de mille, ils apportent leur contribution au marabout, sa femme et les autres enfants, tout le monde prépare et chacun mange. De nos jours, au vu de la charité de la vie, les parents n'arrivent même pas à prendre en charge leurs propres enfants. Souvent, techniquement, c'est comme pour même se débarrasser de mmh. l'enfant mmh. qu'on les amène chez le marabout et le marabout se retrouve euh, avec plusieurs enfants et n'a pas les moyens. Parce que lui-même, il a été formé en tant que talibé. Et le problème qui se pose à ce niveau, c'est l'absence de formation. Lui, il n'a reçu aucune formation. C'est là où le bas blesse. Le problème de l'enseignement coranique, c'est que c'est un enseignement qui n'est pas professionnel. Parce qu'on ne va pas faire du maraboutage comme profession, du moment où ce n'est pas permis islamiquement, ce qu'on doit faire, c'est que tout simplement, on doit apprendre le Coran pour soi-même et le transmettre normalement, gratuitement aux, gens. Maintenant, si en retour les gens peuvent donner, ils donnent, mais on ne doit pas faire du commerce avec euh, les versets de Dieu. Ce qui hmm. fait que lui-même, le marabout, n'a pas appris un autre métier, aucune profession. Donc, il est censé manger là où il est. Il suffit d'un petit accident de foi pour qu'il glisse de l'autre côté et vouloir trouver effectivement une situation, pousser les enfants, allez-y chercher à manger. Et ce n'est pas tout bon marabout qui va seulement dire à ses enfants, cherchez qu'à manger seulement. Et ils vont vouloir effectivement partir maintenant, étant donné que ce sont des enfants, devant la situation du monde moderne, ils seront plus portés à prendre de l'argent plutôt qu'à prendre euh, euh, euh, de la nourriture. Ce qui fait que, au vu de la charité de la vie, lui-même n'ayant pas de profession de métier, il est obligé justement de vivre sur le dos de cet talibés et ces talibés eux-mêmes, comprenant en tant qu'enfants la situation moderne, ils vont être plus portés à prendre de l'argent plutôt. Le manque à gagner par rapport à ça, et c'est un problème délicat, c'est le fait que on n'accompagne pas cette formation avec des aspects professionnalisants. Dans certaines sociétés, quand vous prenez au Bornou, euh, dans le Bornou au Nigeria, effectivement, on remarque cela. L'enfant, en même temps qu'il est à on lui apprend à euh, euh, à, à, des métiers, notamment par rapport au tissage, euh, en ce qui concerne la confection des bonnets et autres. Mais de, notre, de nos jours, ici au Niger particulièrement, vous allez voir les talibans, on leur apprend pratiquement rien. Et souvent, ce n'est même pas véritablement qu'elles sont portées pour apprendre le Coran. Elles sont là que pour chercher de l'argent, et les parents savent concrètement. Mais c'est qu'au fond, tout laisse à croire qu'on qu'on essaye de laisser ses enfants et se débarrasser pour les placer à la tutelle justement du marabout sous prétexte qu'il va leur apprendre le, Coran. C'est en cela qu'on va parler justement de l'exploitation. Lorsque cet enfant est là, il est utilisé au-delà de l'apprentissage du Coran dans autre chose pour se faire un revenu, pour se faire de l'argent ou pour, d'une manière ou d'une autre, récupérer une certaine forme de dividende d'un point de vue mercantile, ce qui est sûr, on est dans une exploitation de l'enfant. Étant entendu que ce bien ne va pas profiter qu'à l'enfant, il va profiter à autrui. Donc l'enfant devient un instrument du marabout qui l'utilise, qui l'utilise pour se faire effectivement sa vie. D'accord. Euh, Moussa Mohamadou, quand on parle d'exploitation ou de déplacement des enfants talibés, forcément, il y, a, des risques que ces enfants euh, y courent. Est-ce que euh, dans vos recherches, vous avez eu à énumérer un certain nombre de risques liés à, cette pratique Bon, je ne dirais pas qu'on a fait de recherches en tant que tel. on a fait des observations au regard du travail de tous les jours. Ça fait mm. bientôt 20 ans que nous sommes là-dessus. Euh, on a fait des observations, mm. on a fait des sondages aussi, puisqu'il arrive que nous questionnions des enfants pour savoir euh, dans quelle situation ils sont. Les risques sont grands. Mais mm. je crois que ces risques aussi, ils sont à la dimension de, des risques qui existent un peu partout pour tout le monde. Euh, peut-être que la particularité, première chose, il y a les déplacements. Lorsqu'un enfant quitte son milieu de protection familiale, eh bien déjà, il court beaucoup de risques. Moi, je m'étais demandé à l'époque comment ça se passait, il y a une cinquantaine d'années, où il y avait les, traverser les forêts était dangereux. Il le faisait hein, avant. C'est pas une chose qui a commencé aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est assez monétarisé. C'est la seule euh, particularité d'aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui a un peu retiré dans la noblesse de la chose, puisque avant, c'était un exercice au courage, au, à l'échange, au partage et à l'expérimentation de l'enfant de plusieurs autres cultures qui ressemble à la sienne dans un cadre de la dans le cadre de la même religion. Euh, je dirais que euh, euh, il y a beaucoup de risques liés à ça. J'ai parlé des déplacements, ça c'était à l'époque, mais aujourd'hui, c'est que la tendance, c'est qu'on quitte des petites bourgades pour aller aux plus grands, des petites villes pour aller aux plus grandes villes. Et lorsqu'on va dans les villes, vous vous connaissez tous les impératifs de la vie d'une ville, avec tous les dangers que ça suppose, les besoins naturel, rien que les besoins naturels. Euh, vous remarquez que quand ils viennent dans les grandes villes, ils euh, squattent ou des terrains vides, ou en tout cas, rarement, ils trouvent des maisons dans lesquelles peut-être quelqu'un qui a construit n'a pas pu habiter, dit allez-y rentrer, ça lui fait un peu du gardiennage euh, gratuit. gratuit. Donc ils sont confrontés à tous ces risques-là, les risques environnementaux, les risques liés à la circulation dans les grandes villes, mais sans compter aussi les risques d'agression qui sont nombreux puisque euh, un petit enfant, heureusement peut-être dans notre situation ici au Niger, on ne remarque pas d'agressions d'autres types que je ne vais peut-être pas évoquer ici, mais dans certains pays, je fais un peu le Nigeria, c'est-à-dire ceux-là, ils sont majeurs. Et malheureusement, les enfants nigériens, vous les retrouvez là-bas au Nigeria. De, vous partez dans toute la zone de euh, nord, vous allez trouver les enfants nigériens qui partent au nom de la mendicité avec leur marabout. Je ne sais pas comment ça se passe. Malheureusement aussi, au Niger, on n'a pas les statistiques on n'a pas les données pour savoir tous les risques que ces enfants-là encourent, que ce soit les risques liés euh, de, leur vie, les risques euh, physiques, et il y a les risques moraux qui sont là. Un enfant commis dans la mendicité, et d'ailleurs c'est ça que la Convention 184 évoque, les risques moraux, c'est que vous faites perdre la personnalité à un enfant de là le faire mendier auprès d'une personne. Puisque euh, on a quand même remarqué qu'il y a un déplacement de la mendicité pour avoir la nourriture dans un cadre assez noble vers la mendicité de caractère, à euh, caractère mercantile, il faut avoir de l'argent pour ramener au marabout, qui d'ailleurs fixe parfois des montants et fixe des peines pour lorsque l'enfant ne ramène pas ça. Donc ça met l'enfant sous une sorte de pression qui agit sur son psychique. Et là, vous avez quand même des risques majeurs du point de vue moral qui fait que certains enfants se déplacent de ce cadre-là vers un autre cadre où vous allez trouver les enfants de la rue les enfants de la rue, avec tout ce que ça comporte comme risque, tous les enfants que vous voyez aujourd'hui autour du grand marché en train de prendre la destruction, ce sont des enfants qui se sont soustraits en grande partie de ce, cette verrou, si vous voulez, de la mendicité. Du fait que le marabout exige, du fait que le marabout sanctionne, il punit, il euh, châtie. Donc certains arrivent à se soustraire de ça et se retrouver dans d'autres groupes. Vous voyez tout ça, ce sont des risques majeurs pour l'enfant que euh, on ne demande pas moins que de faire en sorte qu'il n'existe plus. D'accord. Jean Jouna, les conséquences de cette pratique euh, devenue presque permanente euh, Elles sont à, se, à situer sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, il va sans dire, ça va concerner l'enfant lui-même. L'enfant va subir effectivement une certaine forme de décharge sociale malheureuse sur sa conscience ce qui va l'amener en fait euh, à être en conflit avec la société, en conflit avec lui-même et en conflit malheureusement avec la religion elle-même, au nom de laquelle d'ailleurs il a été amené dans cette situation. Ce qui fait que lorsqu'il va s'extraire de ce groupe, il va se retrouver dans une situation où il n'a pas de repère. L'absence de repère va l'amener au nom de la fragilité qui caractérise son âge, son état physique, ça va l'amener justement à devenir un consommateur de la drogue. Un narco-consommateur, il, va, il risque d'être un bandit, un criminel à la limite. Véritablement, c'est la question ou le piège de la délinquance, de la délinquance en tout cas qu'il va, euh, dans lequel il va se retrouver. De l'autre côté, cela peut l'amener lui-même à faire l'objet, à être sujet, si vous voulez, d'un certain nombre de trafics et de manipulations de la part de certains adultes. Certains crimes qui ont d'une manière ou d'une autre été menés d'un point de vue euh, traditionnel où c'est certaines parties des corps qui sont recherchées par les tradis praticiens s'observent effectivement sur ces enfants qui se retrouvent dans la rue et qui sont sans famille euh, d'attache ce qui les expose énormément à ces crimes rituels euh, qui peuvent être commis euh, par certaines personnes mal intentionnées. Euh, l'autre aspect aussi, d'un point de vue social, les conséquences sont énormes. Un pays qui laisse ses enfants dans la rue, qui en réalité ne prépare pas ses enfants à la relève pour demain, hypothèque effectivement son propre développement. C'est dans, dans, cette situation qu'il faille nécessairement percevoir les choses. Parce que si on essaie de comprendre les enfants de cet âge, 7 ans, 8 ans, moins de 15 ans, qui sont en fait laissés à eux-mêmes, sans repère, sans attache familiale, c'est l'État qui perd. Parce qu'il perd effectivement une partie de lui-même qui est censée justement assurer la relève des adultes. Donc, il y a une certaine forme de citoyenneté qui est compromise, parce que le plus souvent, ces enfants, au nom de la mobilité, ils perdent totalement leurs sources, ils perdent leur culture, et ils n'arrivent pas encore à adopter la culture de leur lieu d'accueil. Ce qui fait qu'ils se retrouveraient dans un désarroi total où ils risqueraient d'être totalement perdus et inutiles et à la limite d'ailleurs dangereux pour le pays, dangereux pour leur société, dangereux pour eux-mêmes. C'est ça, en termes de conséquences, leur famille ne peut plus les contrôler, n'a plus d'emprise, n'a plus d'attache sur eux. L'État lui-même, il entre en conflit, les enfants-là entrent en conflit avec les lois de la République et eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se positionner parce qu'ils sont en conflit avec la société, avec la famille, avec l'État, les lois de la République et en fin de compte, c'est leur psychologie qui empathie. D'accord. On écoute euh, une fois encore euh, Dr Touré Boubacar, donc euh, secrétaire général de l'association islamique, cette fois sur la question de l'implication des, familles et des communautés euh, sur cette question, mais également sur les actions à entreprendre pour venir à bout de cette pratique. On l'écoute. Bon, les actions, non, il n'y a pas une action à faire. Nous, c'est de un, c'est une obligation vraiment d'apprendre le, d'apprendre le Coran. C'est une obligation d'encourager l'enseignement coranique. Mais maintenant, euh, on voit que vraiment les autres euh, ordres vraiment d'enseignement sont euh, subventionnés par l'État et que les écoles coraniques sont mises carrément de côté. Et donc là, vraiment, l'État doit vraiment tourner la face vers ces écoles. Les parents aussi, il y a une démission de ceux qui envoient les enfants dans ces écoles coraniques, chez ces marabouts, donc, il doit vraiment retourner, regarder pour assister ces marabouts. Et la société ne peut que vraiment encourager ces marabouts et surtout sensibiliser les parents, faites une recommandation auprès vraiment de l'État, auprès vraiment des autorités pour qu'ils viennent en assistance à des écoles coraniques. Voilà, Moussa Mamadou, euh, vous avez écouté donc la proposition de solution du, docteur Boubacar Touré. Mamadou, qu'est-ce que vous pensez moi, je crois que euh, l'école, euh, dans sa forme actuelle, c'est elle qu'il faut valoriser. Et c'est à elle qu'il faut ajouter le, ce besoin d'apprendre le Coran, euh, d'apprendre aussi l'arabe, si c'est même de l'arabe qu'il faut parler. l'école coranique, telle que c'est fait dans la tradition avant, ne peut pas aujourd'hui s'adapter à la situation, quoi qu'on dise. On est musulman, on a besoin que nos enfants apprennent le Coran mais il faut qu'ils le fassent en apprenant le savoir moderne qui leur permet d'apprendre les métiers modernes qui leur permettent d'être, de s'intégrer dans l'économie mondiale. L'économie, il n'y a pas que celle du Niger, il y a aussi une économie mondiale. Hmm. Tant que vous n'avez pas appris quelque chose, ça va être un problème pour vous. Apprendre le Coran, lui seul ne suffit pas. C'est la foi. Et la foi, on est censé l'apprendre du premier jour au dernier jour. Mais l'autre là, il y a des périodes où ça doit se faire. Si vous ratez cette période là, ça devient extrêmement difficile. Un enfant qui n'a pas fait l'école coranique jusqu'à 20 ans peut, à 25 ans, à 50 ans, aller apprendre. Mais l'école moderne, si vous ne le faites pas, au moment où vous devrez le faire, le problème se pose. Donc toute organisation qu'on devrait faire dans ce sens doit tenir compte de l'école moderne. Faire en sorte que l'école moderne soit renforcée, qu'elle prenne en compte ce souci. Ce souci pieux, je dirais, ce souci euh, religieux de faire en sorte que les enfants d'abord, ne s'écarte pas des valeurs religieuses, parce que la crainte aussi, par ailleurs, c'est que quand on va à l'école, on va apprendre à boire, on va apprendre à fumer, on va apprendre à faire ceci, cela. Mais à l'épreuve des faits, aujourd'hui, on remarque que ce n'est pas ça. C'est l'environnement qui transforme les personnes. Ce n'est pas l'école, elle. L'école, elle est censée vous instruire par rapport à des, connaissances qui vous permettront un jour d'apprendre un métier et d'être utile à la société. Donc je crois qu'il n'y a pas d'antagonisme entre mm. les deux. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de concurrence. Il faudrait que nous mettions les deux, chacun à sa place, dans un cadre de complémentarité. Mais en sachant que l'école moderne, elle a des impératifs, si on rate ces impératifs, ça va être difficile de récupérer l'enfant ou de récupérer la personne. D'accord. Jean Il y a deux cas de figure qui se dessine euh, par rapport euh, vraiment à cette situation. Le premier, soit l'État accepte et reconnaît et surtout organise, accompagne les écoles coraniques dans le sens où, au niveau de chaque village, l'État a la lourde responsabilité de choisir un, deux ou plusieurs marabouts, j'allais dire, pour les organiser, leur donner un certificat d'attestation qui puisse leur, permettre, leur permettre d'enseigner et qui peuvent être reconnus ou délivrés par un comité qui puisse quand même être mis en place au niveau d'une commune. Ce comité valide comme quoi Marabout Intel est certifié à enseigner le Coran. Maintenant, l'État ou la mairie peut prendre en charge effectivement un certain nombre de coûts parce qu'il en a besoin, parce que c'est son temps qu'il va donner alors qu'il est appelé à faire face à certains besoins de la vie, de sa vie, pour construire lui aussi sa famille, éduquer ses enfants. Alors, du moment où c'est de ça qu'il s'agit, et que lui ne va pas demander un prix, étant entendu qu'il craint Dieu, parce qu'Allah interdit cela, il est, on est obligé alors de lui trouver quelque chose qui puisse quand même lui permettre de travailler. Il fait un travail, il enseigne ses enfants, du moment où c'est une nécessité, tout le monde le reconnaît tel quel. Et demander à tous ceux qui sont riches, lorsque la zakat qu'ils vont donner, n'ont qu'à la livrer là-bas. On essaie de réorganiser les choses et en même temps appliquer la loi par rapport à l'interdiction de la mendicité. Ça existe, cette interdiction dans le Code civil. L'islam lui-même interdit effectivement ce trafic d'enfants entendu dans le sens justement de la mendicité. Nulle part l'islam n'a demandé de dire aux gens tendez votre main pour prendre de quelqu'un. Nulle part. On a demandé seulement de donner. Mais on n'a nulle part demandé à quelqu'un de tendre sa main pour prendre. Mais on a dit, si vous vous en possédez, vous pouvez effectivement donner. Et chaque fois que vous avez un surplus, c'est ça que vous devrez dépenser dans le monde. Alors, je pense que cette première option permet de reconnaître les écoles coraniques sur toute l'étendue du territoire, de les réorganiser, de les soutenir et de les accompagner. La deuxième option serait entendue dans le sens où nous sommes dans une société où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette perception que nous avons de faire quelque chose, gagner sa vie, parce que l'école moderne, l'école moderne est fréquentée dans le sens de disposer d'un bien qui puisse quand même nous servir dans ce monde d'ici-bas. L'école coranique est fréquentée quant à elle pour gagner quelque chose qui puisse quand même, en termes de bonnes œuvres, nous euh, servir à l'au-delà. Combinons les choses. Les deux ne s'excluent pas. Ils se complètent parce que l'islam n'interdit pas effectivement de chercher le bien dans ce monde d'ici-bas. Il va sans dire que dans ce cas de figure, de joindre les deux aspects de façon complémentaire, en même temps qu'on puisse gagner l'au-delà, on peut gagner encore sa vie dans ce monde d'ici-bas. Et c'est à l'État d'introduire justement cet enseignement coranique dans les écoles. On peut par exemple intégrer l'enseignement arabe dans toutes les écoles. Ce n'est pas encore suffisant. Le fait que les écoles médersa existent, ce n'est pas encore suffisant parce que c'est un choix encore qui a été donné à certaines familles, à certains parents justement, de choisir soit l'école traditionnelle, soit l'école euh, MEDERSA pour envoyer leurs enfants. Mais ce n'est pas partout que ces écoles médersa existent. Et encore, là, jusqu'à preuve de contraire, les gens hésitent au sort par rapport au sort euh, qui est réservé justement à ceux qui fréquentent ces écoles. Donc il y a lieu, dans ce cas de figure, que l'État essaye de produire des curricula s'inscrivant dans cette logique pour mieux affiner les relations donc, euh, pour combiner en fait la complémentarité là entre l'école traditionnelle et puis l'école MEDERSA donc pour introduire l'enseignement non seulement arabe, mais en même temps religieux, malgré la, la laïcité justement de l'État. Parce que quoi qu'on fasse, il ne faut pas concevoir la face, on a adopté la laïcité pour être plus à l'aise dans l'exercice du pouvoir ou encore dans notre expression de citoyenneté, mais en vérité, nous sommes tous religieux, et le président, d'une manière ou d'une autre, si réellement l'État est laïque, on ne doit même pas demander à un président encore de jurer sur euh, un livre saint. Donc, cela voudrait dire quelque part, nous reconnaissons que nous sommes musulmans, nous reconnaissons que nous, sommes, que nous avons des chrétiens, nous sommes religieux d'une certaine manière, donc il y a lieu alors de considérer cet aspect parce que tout ce qu'on est en train de faire en termes d'exercice du pouvoir, c'est pour le bien-être de la population. Si la population veut que l'enseignement coranique soit considéré, on doit le considérer et l'inscrire justement dans cette logique pour son bien-être. Merci. Euh, sachez qu'en résumé, dans ce forum, pour mettre fin à cette euh, pratique qui ne date pas d'aujourd'hui, euh, les participants ont proposé le renforcement de l'école moderne à travers l'introduction dans tous les programmes scolaires des programmes religieux, euh, que l'ECTA accepte aussi, organise et soutienne les écoles coraniques et enfin l'application stricte de la loi interdisant la mendicité. Dans ce studio, nous avons eu comme invité Moussa Mamadou, coordinateur de l'association de lutte contre le travail des enfants au Niger, et Sani Janjouna, sociologue. Je vous donne rendez-vous pour notre forum du studio Kalangou demain à partir de 18h15. Merci et au revoir.